qu'on a ciblé pour déranger tout le monde. Le seul candidat qui est un Sénégalais, bon teint, un Sénégalais né au Sénégal, nationalité sénégalais, au Sénégal di problème personnel programme politique bu justice applique ko ci administration ba problème c'est sa seule personne parce que nous écarter écartés. ndax avons fait beaucoup de faits. defee nit ñi daan mais l'essentiel ils ont tout fait pour écarter le président Ousmane Sonko de ces élections mais ce tey jiitu ci tey dafa depuis mars 2021 ça fait deux ans que nous avons fait des si le président Macky Sall il a un devant lui un candidat potentiel pour le deuxième tour wala mu yóbbu ko Arna. sax parce que enjeu il tam dañ koy nangu. Nous sommes 17 millions d'habitants au Sénégal, mais j'espère que l'influence d'Ousmane Sonko pèse lourd sur le Sénégal. Parce que c'est la réalité, parce que ce n'est pas le président Ousmane Sonko, c'est le projet qu'on défend et la réalité. Parce que l'idéologie, je suis de la coalition eu en 2021, j'étais